Mamoussa Cissé chef du service départemental des sports de Thiès. bi moy ñaarelu camp de vacances bi amoon nañu benn boo xam ne nañ ko avril bi moy ñaarel bi té euh, centre bi nga xam moy centre départemental développement technique moko organiser organisé nak centre bo xam la ñun dañu ba ñëwee ci tétu boppu euh, service départemental bi ñu gisoon ni suñu euh, sport bi mi ngi tambalé soxé ñu né nak nañu delluwaat ci suuf parce que boo buggee liggéey ci sport da ngay jël xalé bi ba mu gëné nek xalé ñu jël ay xalé yo xamni ci sept disciplines muy football basket handball volley euh béré lutte euh gymnastique ak athlétisme ñu jël leen di leen tagat fu ci ne am nañ fi ñaar fukki xalé ak juroom ñi ngi ci am ci diggante juróom-ñetti at ba fukki at ak ñaar ñu né nak bu ñu liggéey ak ñoom ci ñaar ñett ba ñeenti at euh, incha allah yàlla mën ñu jappalé pour que suba ñu mëna am ay champion ci discipline mi mais aussi ñu am ay champion ci adina parce que for li nous intéresser du rek ñu def ay performance sportive mais aussi ñu ñu jox leen éducation ñu yar leen ci walu li nga xamni mom moom nañuy jàng te tey boo message yi nga xamni xalé yi lancé nañ ko loolu am importance la surtout walu civisme loolu motax ñu leunkel ko ak levée de couleur bi pour que ñu xam lan moy sen raay dëkk ak lan moy autorité yi alors ci walu jafé jafé digënté comme nga ñaari at yéen ko organisé lan moy jafé jafé yi waaw jafe-jafe yi moom du leen moyen parce que soo gisee nombre bi nga xam am euh, pour jël en charge dafa xaw a difficile euh, léegi nag am na maire yoo xam ni jàppale nañu ku mel le maire nous. Sow blouson yi xale yi def moom moo ko moom moo ko jëndal si wàllu fonds de dotation yi ñu ñaan yeneen maire yi ñu jàppale ñu si loolu accompagner li nga xam ni ñenn ñi koy def yenn bonne volonté yi koy pour que ñu am moyen parce que suñu amul moyen dinañu am mbébét bi dinañ am bëgg-bëgg bi mais si moyens yi taxawul vraiment je pense pas que ñu mun si sori donc vraiment ñu leen di ñaan ñu ñëw ñu si ak conseil départemental ak toutes les autorités du département ginnaaw bi nga xam préfet moom moo jël euh, projet bi daal koy euh, sësoo moom si boppam. alors ñu bëgg rek nga ñëwaat ci euh, juddu projet bi parce que yéen a ngi ragal projet bi nekk loo xam après des naax saa yi ci wàllu mooy ak li mel lan moo waral tey ngeen créé ko ak juddoom lan moo ko indi waaw judd bi moom mooy rek fexe développer sport yi parce que am na sport yoo xam ne ñu ngi tàmbalee dee ci département bi fexe nag xale yi tàmbalee euh, liggéey léegi nag tey am nañu reconnaissance ministère tey am na projet yoo xam ne ñu ngi koy commencé envoyé tey SNAPS mi ngi ñu ubbil buntam ñu nekk fi pendant 15 jours tey am na sax au niveau extérieur ay euh, Surinamiens yoo xam ne war nañ ñëw jàppale ñu li ñu bëggoon nag mooy déjà ñun ñi nga xam ne ñoo nekk fii ñun ñu jàpp si parce que euh, jafé na pour téyé ko ak nombre bi mais je pense que bu si ñëpp dugalee seen loxo su ñëpp defee ni sen projet bop la inshallah yalla yàlla ñu jappalé ñu ñu dem ci kanam donc moyen daal nañu ñaan té fep fu nu ko mëna amé dinañ ko séti ci suñu autorité locale yi mais aussi dinañ dem séti sponsor yi yi nga xamni ñi ngi nekk fi ci biir département bi pour que ñu mun ñu parce que li ay moyens moo koy taxawal. alors ban message ngay lancer. waaw euh, projet bi dal ñun li ñu mënoon mooy judduloo léegi nag pour que mu dem ci kanam euh affaire ñep la donc tay remercier toutes les autorités yi nga xamni tay di ñew nañu parce que tay mobiliser len ci lu melni nii lu jafe la mais ñom ñep ñew nañu féké li xalé yi di def tok ba mu jeex benen bi moom moy éducateur yi nga xamni ni maa ngi ànd ak ñom te ñu eh, ay ay bénévole nañu fay ñu len dara ñu gëm mbir mi di ñooñu aussi ñu len di sante bu baaxa baax di len remercier remercier ñep ñi ci japp di ñaan ñep nak ñu ñew xamni sen projet la. maa ngi tudd Assietou Lo première slide laay def déwén école Sangap lay jangé euh damay def tamit nan bu doo comme art mais tamit commencé na gymnastique depuis ba centre bi commencé te je compte bien yaakaar naa dama koy yeggali. alors 15 jours nga xam ne def nga ko ak ay encadre ci cette discipline bi wute ci walu sport tak nga ko gisee. waaw bañ ñëwé dem nañ xol discipline yépp franchement fu nek amna na liggéey xalé yaangi fa woon vraiment xalé yaangi ngi doon amusé wu ñun nak man personnellement fi la spécialisé woon ci gymnastique bi bon jang naa fi ay affaires yu mais tam dem naa xool volleyball football lutte franchement ku nekk daal mu ngi doon amusé première est-ce que vous avez jàng bu baax. Oui, macha <laughs> on peut dire. merci. Sur le plan théâtral, ça va pas prendre beaucoup de temps, mais je voudrais juste vous inviter à regarder ce que les enfants ont appris ici durant ces 15 jours de camp de vacances. Donc, c'est la gymnastique qui est sur le tapis qui va vous faire une toute petite démonstration. Coach, à vous. la course. Félicitations. C'était juste une toute petite démonstration pour vous montrer ce qu'ils ont eu à faire. Ce n'est pas évident parce qu'en 15 jours, pouvoir répéter ça et le maîtriser, ce n'est pas du tout évident. asalaamaaleykum mbooloo mi tey nag dañ fee daje pour def suñu fête clôture centre bi waa dëkk bi yépp tey dañ fee daje pour sargal suñu encadreur yi léegi nag bu ñuy commencé dañuy woo suñu lingeer bi mu ñëw ñëw ak ay princesse am euh, balaa boobu nag ñu jiital chef de quartier bi ba pare mu ñëw dugg nuyu waa dëkk bi quartier bi ñëwee ba dallu ba toog ba pare dañ siy teg rek suñu maire bi monsieur le maire waa kon defe naa suñu jugee ci maire bi dañuy woo madame l'inspectrice des sports

samba far ma joor ma xure ca lingeer la wele leen ma Kajoor faal wele leen ma dammel faal ay sata koddu samba fat ma joor ma xure ca lingeer la wele leen ma Kajoor faal wele leen ma dammel faal ni dégg naa ci suñuy maam jàmbaar dañ ko daan damoo ni dégg naa ci suñuy maam Fatmajor Makhurey Jalingela wayla leen ma kaajafa Madam leen madam dammel fa ni dégg naa suñu imaam ni dégg naa ci suñu imaam dañuy jàll ci activité yi parce que xale yi depuis boobu bañ fi nekkee jàngaluñ leen rek lu du sport mais dafa amoon ay encadreur yi nga xam ne ñoo fi nekkandoo woon ak ñoom doon leen jàngal sport mais dañ leen jàngal àdduna parce que ñëpp xam nañ ni instant bi fu ñu toll réew mi tas na tas na boo xam ni xale yi amatuñu benn repère te incivisme bi dafa bëri kon nag damay woo juste xale yi ñu ñëw waxtaan ak yéen mais yaakaar naa ni avant boobu ministre baa ngi nii di doog a yegg kon dañuy woo madame le ministre des sports mu dugg ci ba pare ñu doog a def forum

le monde a soif de discipline et de politesse. Nous détruisons pas ce qui nous attache. C'est de notre devoir de faire l'impossible pour assurer le partage et conserver charmer les mecs, les mecs ont une attention grandiose. Et leur dernier joyau, les autres, I'm way down to the first. Éduquer, c'est aider à l'épanouissement moral, structure, mais lay lay la la ila la lingeer kay ñu waxtaan lay lay la la ila la lingeer kay ñu waxtaan lay lay la la lay la laa ila laa li ngeen kay ñu laa ila laa li sous-préfet, monsieur les maires, messieurs les chefs de quartier, messieurs les chefs de service, chers parents, chers invités. Euh, vous pouvez comprendre toute mon émotion ce matin de me retrouver ici avec l'ensemble de la famille de l'administration pour clôturer ce camp de vacances dédié à des enfants du Centre départemental de développement technique de Thiès. Ce centre a été créé il y a aujourd'hui huit mois, avec l'aide du préfet qui est là présent. Et c'est parti de arrêté euh, pour prendre en charge les jeunes. Parce que nous avons voulu miser sur l'avenir. Nous pensons que le sport doit euh, prendre en charge non seulement ses aspects physiques, mais aussi ses aspects culturels des aspects d'éducation. Vous avez entendu, je l'espère, les messages qui ont été lancés par les enfants tout à l'heure. Je suis impressionné parce que ce qu'ils ont répété tout à l'heure peut-être n'était pas parfait, mais ils n'ont eu que trois jours pour le répéter. Et ces enfants-là étaient là tous les jours pour travailler dans cette discipline, le football, le basket, le handball, le volley. Dans ce sénégal inspecteur, le niveau politique bien sooy gérer instruction il faut être courageux courageux de dire que futilité yi dugaluma ci sama xaalis xaalisu sénégalais mais ci lu am importance di laa koy dugal pour seen nañ la may woo mais yow boo tëddee di nga nelaw parce que c'est seul temps pour le sens qui est pour boo ci nam ne tàcc nag nga dem ci stade bi baax monsieur l'inspecteur baax mooy ay càqal Je terminerai par encourager les enfants dama leen jox exemple ci man boo ko waxee dañ naan ma tout le temps ko wax li tax ma leen jox exemple ci man lii yaay école yu mag la ñu jàng lii ay am ay docteur numéro un xaw ma ñëpp man ndongo daar laa woon dama doon yalwaan tey man maay seen benn nga xam loolu loolu mooy benn ñaareel bi football Thiès boo waxee maam Moussa Mbëne mënoo ko tudd ba tuddloo entraîneur yi fi nekk ak encadreur football Thiès man maay seen président niveau national niveau national association des entraîneurs et éducateurs de football du Sénégal man maay vice président xam nga moo koy may gëm sa bopp gën ñu fi nit ñi yegg mën dafaa yegg yéen loolu la ngeen di tàgg soyez courageux persévérant yéen wax ay col colin yu bon ne loolu yëpp ngeen ko def kon jàpp leen ni Sénégal dafa am yaakaar ci yéen mag mu ngeen gis mu baax roy leen mag mu ngeen gis mu bon ngàññi leen parce que ce pays là vous attend ma leen di wax on a confiance en vous te en ce inspecteur je vais clôturer pour en à toutes les autorités qui sont là. Que chacun, inspecteur ou quelqu'un qui est au, parc bas de l'échelle, soit aujourd'hui votre porte Que les gens portent le plaidoyer dans toutes les instructions de ce pays pour que ce camp-là puisse continuer, pour que demain, nous ayons pas gens je vais faire euh, avec Moussa, avec les footballeurs, euh, travailler sur un thème. la solution. Dans le jeu. Parce que partout dans le Sénégal, on rencontre des solutions. En politique, en éducation, il faut être, on rencontre des solutions. Moi, je lève la main sur la solution. Merci beaucoup. Je tenais juste dire que le Nambu, c'est un art créé par chez Nambu, qui est au Japon. et Il est champion de d'art en karaté. Il a créé auparavant le karaté sambukai, et juste après, il s'est focalisé sur le Nambu Alors, les enfants, je crois que ce qu'ils font, c'est très joli, hein. ça mérite des applaudissements. Jean-Charles et il a été le premier à l'exercer au Il fut un élève direct de Eugénie. Merci. Si vous me le permettrez, peut-être juste faire le discours des colons. Madame le ministre des Sports, Monsieur le préfet de Thiès, Madame le maire, chers invités, chers camarades, nous voici réunis devant vous à l'occasion de cette fête de clôture, de notre session de formation. Fêtez avec vous, oui, chers parents, vous qui avez permis de pouvoir bénéficier de ce privilège, en compagnie de nos chers encadreurs, sous la direction de M. l'inspecteur départemental des sports, qui en est l'initiateur. Non seulement nous vous remercions et nous vous chantons pour ce geste ô combien important que nous permet de brassage et de bénéficier d'une bonne éducation, ajoutée à une bonne formation sportive. Nous prenons l'engagement de ne jamais décevoir l'espoir porté en nous. Merci de votre aimable attention. Mesdames, Messieurs les chefs de service, Mesdames, Messieurs les membres des forces de sécurité et de défense, nos doyens chefs de quartier, chers membres du mouvement sportif soir, chers invités, Mesdames, Messieurs, nous sommes de nouveau réunis aujourd'hui, comme chaque lundi, comme chaque, premier lundi de chaque mois, pour sacrifier à cette cérémonie citoyenne de lever des couleurs. Je vous transmets les, les amitiés de M. le préfet de Thiès, Aline qui est actuellement en congé. Cette cérémonie, si je ne m'abuse, est la première du genre organisée au CNEPS. Toutefois, elle était envisagée depuis bien longtemps, mais n'avait pas pu se réaliser. Ce n'est qu'une suite logique qu'une telle cérémonie citoyenne soit tenue dans ce temple du sport. En effet, qui parle du sport et un certain nombre de qualités et parmi, parmi ses qualités et ses valeurs, la citoyenneté. C'est l'occasion de féliciter chaleureusement tous les sportifs et tous les champions de chess, certains d'entre eux sont ici présents, qui à travers le sport honorent notre drapeau national et représentent la patrie à travers le monde. L'inspecteur Cissé nous rencontre régulièrement de à chaque fois que, nous, l'un d'entre eux se distingue dans sa discipline, que ce soit au Sénégal ou dans les compétitions internationales. Cette tradition de victoire n'est pas nouvelle à Thiès, car cette ville a toujours été une terre de sport qui a vu naître les grands champions qui aujourd'hui font notre fierté. J'en profite, pour féliciter l'inspecteur des sports, c'est pour coach comme j'ai pour les efforts incommensurables, vraiment, qu'il fournit pour le développement du sport. L'exemple le plus parlant est le centre technique de développement, le centre de développement technique de Thiès, qui accueille ces jeunes que nous voyons aujourd'hui et qui, franchement, nous en ont mis plein la vue à travers toutes les démonstrations qui ont été déployées depuis il n'est pas aisé de mettre en place des structures et des modèles viables dans le monde, dans le milieu sportif, mais à force de persévérer, les résultats suivent. En détail ce stage et tout ce qu'on a vu que les, enfants ont appris durant ce laps de temps vraiment très court et qui a été vraiment bénéfique pour eux. Ce stage a été couronné, couronné de succès, le premier du genre, et il continuera, Inch'Allah, le, monsieur le maire a pris l'engagement de les appuyer en et nous appelons toutes les autorités locales, toutes les autorités et les bonnes volontés de TES à venir participer à appuyer ce centre. Aujourd'hui, aujourd'hui ce centre est reconnu par nos autorités supérieures. L'inspecteur en a parlé tout à l'heure. Le ministère des Sports a prévu en relation avec euh, le ministère des Affaires étrangères, d'envoyer des expatriés, des Surinamiens, qui viendront participer. Cela signifie qu'ils ont un œil sur ce que fait le centre. Ils nous encouragent et ils nous poussent à mieux faire, à nous de ne pas décevoir toutes ces attentes. Je remercie les parents de tous ces jeunes que je salue au passage pour la confiance qu'ils nous accordent et qui est à la base de ce succès. Toutefois, le coach Cissé n'est pas isolé. Il est à l'image des autres chefs de service du département qui, chacun dans son domaine, abattent un travail remarquable au profit de la population caissoise. Je terminerai par encourager, je terminerai par encourager le mouvement Navetan à poursuivre les efforts jusqu'ici déployés contre la violence dans les stades. Dans la ville, on peut voir, on n'a pas trop de problèmes. Il faudrait que cette tendance puisse se possible jusqu'à la conclusion du championnat. Un dernier mot à nos partenaires japonais de la pour leur appui et leur collaboration. Merci beaucoup. Excellente journée